2024. Bonne année à toutes et à tous. ala fetna rodna watay kayesi barkaji moɗon e, e woncagol hitane jama'a barkamu da sabuwar shekara Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Nous sommes mardi 23 janvier 2024, il est 11h à Niamey et partout au Niger. Bonjour chers auditeurs du Niger sur Kalangou, vous nous écoutez en direct à travers 21 radios partenaires et sur notre site web le www.studiocalangou.org. Très ravi de vous retrouver. Vous êtes en compagnie de Ali Moukela alias Seno et Habiba Ahmed. Bonjour Habiba, comment tu vas ce matin Je me porte bien Seno, je suis ravi d'être là également. Eh bien Habiba, comme d'habitude, nous débutons euh, par le flash qui sera présenté euh, par Nafissa Adamou Sirfo. Ensuite, direction la région de Tawa pour l'écho des régions. Nous serons plus, euh, plus précisément à Madawa à la rencontre d'un griot qui compte l'histoire de son peuple. Sans oublier les chroniques sport et lotis de l'équipe femme du studio Kalango. La rubrique Hebdo Santé de ce mardi nous édifiera sur les cas de malnutrition. Et ce n'est pas fini. Dans la partie entretien, on parlera également de santé. Nous découvrirons deux formes de rimes graves, la sunnisite et la runite et ça sera avec euh, le médecin commandant Amadou Issa Soumeila à l'hôpital de référence de Niamey. Il est au micro de Rabia Mekano. Oui, c'est non. Nous suivrons l'intégralité de cet entretien dans quelques instants. Cette émission serait pas c'est qu'elle est sans les doigts magiques de nos techniciens de l'autre côté de la vitre. Un gros coucou à Issa Lowoli et à Adam Adawaki qui assure l'édition. Nous sommes avec Nafissa Surfo pour les flèches. Bonjour Nafissa. Bonjour Habiba. Bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Un incendie s'est déclenché dans les environs de 13 heures hier dans le grand marché de Niamey. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés dans une boutique du quartier 6. Selon l'agence nigérienne de presse, elle contenait du matériel électrique. L'incendie serait causé par une masse au niveau d'un circuit électrique. Aucune perte en vue humaine ni de blessés n'est à déplorer. Le Conseil exécutif national de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de transparence internationale, a dans une déclaration cette semaine demandé au pouvoir public de faire lumière sur l'affaire de l'or saisi à l'aéroport international de Niamey ce mois. En effet, il s'agit d'une importante quantité d'or estimée à plusieurs milliards de francs CFA. L'organisation demande aux autorités nigériennes de mettre en œuvre des mécanismes rigoureux et transparents an de contrôle de l'exploitation artisanale et de la commercialisation de l'or dans le pays. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit. Hier, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la Cannes, a connu une défaite contre la Guinée équatoriale sous un score de 4-0. C'était lors de la dernière journée des phases de poule. Néanmoins, la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée de la compétition. C'est la fin de ce flash. Merci Nafisa, à bientôt. Merci infiniment Nafisa. Dans quelques instants, nous suivrons l'entrée entretien sur la runite allergique, euh, et la sinusite. Tous les deux, hein, des infections qui touchent à 40% de la population mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un sujet qui intéressa plus d'un sans doute, mais avant, marquons une pause musicale avec ce titre Dada de l'artiste Alaradik. Ah, oh, oh, oh, bani bane dan baba yaron da ake mamari daga wake son dauka ai bani son abun da ya taba da dan mama kuma kuma ka zo ga gimi ne ke damun ka fushin ka dai nake iya bata mini haiwa a duniya bana kauna mai zai saka kuka yeah sai yau a gashi na girma abun alake yi na shiga waka ina tunada da da ina she a buyer, she ba in banaba. I don't wonder I get the good and yeah, yeah. Yeah, am in town. Look at you are, ah. are you a I'm minister in a year, ma, come here, so oui, El Radik Soldier fait partie euh, de cette nouvelle génération d'artistes nigériens valables qui font leur bout de chemin calme de nature, El Radik sait allumer le public avec ses flots qui sont repris en cœur à chacune de ses prestations. Il revient dans ses titres sur ce qu'a été son enfance. Il rend également hommage à ses parents qui l'ont épaulé. Toute la chanson retrace ses souvenirs d'enfance. ya hamacana ni ban sani ba haiwata tawala We are the leaders of tomorrow. Leaders of tomorrow. We are the leader, leader, leaders Voilà, Leader of Tomorrow, cher auditeur, euh, c'était là le titre Dada de l'artiste euh, El Radic Soldier qui réside actuellement de l'autre côté hein, du Canada. La pollution de l'air est un problème mondial qui a des conséquences importantes sur notre santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, cette situation est encore plus problématique euh, pour les personnes souffrant de rhinite allergique qui, selon les spécialistes, s'accompagne souvent d'une sinusite, une allergie courante qui touche près de 40% de la population mondiale. Cet entretien euh, réalisé avec euh, commandant Amadou Issa Soumela, médecin à l'hôpital de référence de Niamey, il est au micro de Rabia Meikano. La rhinite, c'est une inflammation des cavités nasales. Donc, au niveau du nez, il y a des cavités, donc les fosses nasales, et qui sont en arrière. Il y a une grande chambre qu'on appelle le cavum. Donc c'est une inflammation de ces cavums et de ces cavités qu'on appelle rhinite. Pour la sinusite, il faut savoir que euh, au niveau de la face, il n'y a pas que le nez comme cavité. Au niveau des os de la face, il y a des trous au niveau de ces os des trous, en temps normal remplis d'air. On les appelle les sinus. Nous avons le sinus maxillaire, le sinus ethmoïdal, le sinus frontal et le sinus sphénoïdal. Donc, ethmoïdal. Donc, tous ces sinus-là sont en double, donc pair, et remplis d'air. Donc, une inflammation de ces cavités s'appelle sinusite. En termes de gravité, dans quelle catégorie classer ces formes de rhume Il faut savoir que les rhinites et les sinusites se définissent en deux entités. Il y a les rhinites aiguës, les rhinites chroniques. Et il y a les sinusites aiguës et sinusites chroniques. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est des cavités en étroite relation et on ne parle même plus de rhinite ou de sinusite à part et on parle de rhinosinusite. Parce que une affection de l'un va vers l'autre. Dans le commun des mortels, on appelle cela le rhume. Mais le rhume est générique. Il faut savoir que euh, c'est une spécialité euh, vraiment mal connue. Ces maladies sont mal connues et c'est des maladies qui sont pas faciles à traiter vous allez beau prendre les médicaments en pharmacie ou traditionnels, si le diagnostic est mal posé, le risque d'évoluer vers les complications est grand. Mais quand on va vers les complications, il faut vraiment consulter chez l'ORL. Donc pour parler de la rhinite en premier, les rhinites aiguës, c'est des, des inflammations le plus souvent d'origine infectieuse des cavités nasales en moins de trois semaines. Donc ça, c'est aigu. Et quand ça dépasse trois mois, c'est chronique. Il en est de même pour la sinusite, sinusite aiguë, sinusite chronique. Quels sont les signes cliniques de ces maladies et comment les reconnaître Pour la rhinite, communément appelée le rhume, c'est le malade qui vous vient quand c'est aigu avec une euh, rhinorée, donc un écoulement nasal, qui peut avoir plusieurs aspects, clair ou foncé, jaunâtre, donc là c'est surinfecté, et une obstruction nasale, et quand on respire mal, on a des maux de tête, donc euh, des céphalées. Et pour la sinusite aiguë, le malade euh, vous vient avec une douleur de la face, ça peut être latéralement par rapport au nez, donc les sinus maxillaires. Ça peut être frontal au niveau du front. Tout comme ça peut être des céphalées postérieures, donc des maux de tête de manière aiguë pour la sinusite aiguë. Et ça s'accompagne le plus souvent d'un jetage postérieur. Donc c'est le malade qui se passe son temps à cracher, à racler la gorge et à cracher. Les formes compliquées de ces maladies peuvent-elles affecter plusieurs parties du corps Dans ces, rhino rhinosinusites euh, aigus, on peut avoir d'autres troubles parce que les, la douleur sinusienne peut irradier vers les globes oculaires, c'est-à-dire les yeux, et ça peut donner des petits signes, des troubles de l'équilibre, voire même des vertiges, c'est possible. parmi les complications de ces sinusites, il y a les otites. Donc euh, il faut savoir que les complications sont de deux ordres. D'abord les complications locaux-régionales, donc les organes de voisinage tels que les oreilles, la gorge, ça peut donner des otites, des angines, ça peut descendre plus bas pour donner une pneumopathie, donc une toux avec les poumons qui sont malades. Ça peut donner d'autres complications encore plus graves au niveau cérébral, donc c'est ce qu'on appelle les méningoencéphalites une méningite d'origine rhinogène, donc euh, une infection du nez, les rhinosinusites, Et ça peut euh, aller à des complications vasculaires cérébrales, donc les thromboses veineuses aussi. Chers auditeurs, un autre tour en musique avant d'attaquer la seconde partie de notre entretien. Tout à fait, Habiba. Partons encore en musique avec ce titre euh, Zenabou de Ali Mastar, On vous laisse savourer. Et eh oui, cher auditeur, euh, la chanson Zenabou d'Ali Masta révèle une euh, déclaration passionnée à l'égard de sa bien-aimée. Euh, les paroles expriment un amour sincère et transcendent les frontières, créant une expérience musicale véritablement envoûtante. Ali Masta réside en Europe, mais il est fortement attaché à sa culture du Niger. Eh oui, c'est ça. je t'aime je t'aime, je t'aime,

Voilà, c'était Zenabou Abou, chanté par euh, l'artiste Ali Master, qui réside de l'autre côté euh, de l'Europe, bien évidemment. Alors, euh, chers auditeurs, au Niger, une étude sur la prévalence de la rhinite allergique chez les patients asthmatiques à Niamey a été menée par le service pneumo physiologie. Voilà, <laughs> je vais y arriver. De l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo, CHU, et de la clinique médicale Lakourousou de Niamey. Cette étude prospective transversale allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 incluant 205 patients asthmatiques de 4 ans et plus vit en consultation. oui, au cours euh, de l'étude, euh, ont été recensés 140 euh, cas euh, de rhinite allergique, soit une prévalence de 68%. Aujourd'hui, euh, dans plusieurs centres de santé, les spécialistes, sont, outillés voilà, pour diagnostiquer hein, ces maladies. C'est le médecin ORL, donc le technicien ORL, qui va poser le diagnostic à travers son examen, il est doté d'un certain nombre de matériels qui lui permettent de regarder les fosses nasales, la muqueuse nasale, de palper les points sinusiens à la recherche de la douleur sinusienne, de regarder dans la gorge s'il n'y a pas un jetage postérieur, et puis eh, de lier les complications à l'affection rhino Donc, euh, c'est pour dire que le premier diagnostic de ces maladies est d'abord clinique. Donc c'est le praticien de santé qui pose le diagnostic. Et parfois, dans les formes chroniques, le diagnostic peut être difficile à poser parce que le malade s'est habitué à sa maladie, l'organisme s'est habitué. Pour poser le diagnostic, le clinicien va demander des examens. Il y a des examens d'orientation, donc qui te guident, tels que la radiographie des sinus blondo en incidence blondo il y a des examens aussi qui posent réellement le diagnostic, notamment la tomodensitométrie, communément appelée euh, le scanner. Donc le scanner des cavités naso-sinusiennes va permettre d'avoir une image qui concorde avec la sinusite ou la rhinosinusite. Et il y a une entité particulière de ces rhinites ou rhinosinusite chroniques qui est liée à l'allergie donc à la sensibilité individuelle face aux différentes substances de l'organisme. Donc le diagnostic des rhinites allergiques peut faire appel euh, ou doit faire appel dans notre contexte actuel moderne à l'allergologue. Quelles sont les options qui sont disponibles pour la prise en charge de ces deux affections Pour la prise en charge de ces affections, il faut savoir que dans un premier temps, on a le traitement médical, donc le traitement à base des médicaments qu'on peut donner soit par voie orale ou locale dans les formes simples. Donc euh, c'est des antibiotiques, des anti-allergiques, des antipyrétiques, des antalgiques, des anti-inflammatoires qu'on peut donner aux des patients. Des antihistaminiques aussi, voilà, pour les allergies, les cas d'allergie, les rhinosinusites chroniques peut donner aux patients et euh, qui vont le soulager. Pour les cas les plus graves, une opération chirurgicale s'impose Malheureusement, euh, à force de faire l'automédication, notamment la prise isolée d'anti-inflammatoires, euh, chez le tablier d'à côté, chez le pharmacien sans avoir consulté. Donc les tisanes, le traitement traditionnel. parfois la maladie se complique. Et pour les cas compliqués, on va utiliser l'arsenal du diagnostic, mais pour le traitement, le traitement peut être chirurgical. Donc, il faut savoir que l'ORL est un chirurgien. Il va, pour les cas de sinusite bloquée, parce que les cavités euh, de la face qu'on appelle sinus peuvent se remplir de morve et les, les portes d'écoulement de cette morve-là sont bloquées. Et les maux de tête sont encore plus intenses il faut débloquer. Donc il y a des ponctions de drainage qu'on peut faire. Mieux encore, actuellement, il y a la chirurgie nasale endoscopique. C'est du matériel de pointe qui permet à travers les fosses nasales d'ouvrir ces sinus, les nettoyer, les laver. Une des complications les plus redoutables, c'est la polypose naso-sinusienne. C'est une masse de chair blanchâtre voire jaunâtre, translucide, qui pousse dans les fosses nasales. Et là, le signe particulier, c'est l'anosmie. Vous allez perdre l'odorat. Et le scanner va poser le diagnostic. Le chirurgien va aller par la fosse nasale enlever ces polypes de la fosse nasale et mettre des corticoïdes pendant au moins six mois pour que ça ne revienne pas parce que la hantise, c'est la récidive. À côté de ces polyposes nasocinusiennes, nous avons aussi des cas de champignons qui peuvent pousser dans les sinus. Concernant les complications au niveau des autres organes, notamment les complications au niveau des poumons, le pneumologue va intervenir, les méningoencéphalites, il y aura d'autres spécialistes qui pourront aussi intervenir, notamment le, le neurochirurgien. L'objectif, c'est pas de faire peur aux gens, mais de, faire prendre conscience et comprendre qu'il y a des spécialistes qui sont là pour traiter ces maladies avant que ça ne s'aggrave. Et il est logique après un traitement simple d'un rhume qui ne s'améliore pas ou qui récidive fréquemment de consulter chez l'ORL pour une meilleure prise en charge. Voilà, merci à notre reporter euh, Rabia Mekano et au médecin commandant Amadou Issa euh, Soumela pour euh, cet entretien très instructif. On reprend, on se reprend après la pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangou, co par Ali Munkaila Ouseni et moi-même Habiba Ahmed autre sujet de santé dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui. Nous allons parler de la malnutrition, une maladie qui touche le plus souvent les enfants. Au Niger, elle est beaucoup présente et surtout en milieu rural. Et oui, le docteur Amadou Seydou, euh, pédiatre au centre hospitalier régional de Difa, apporte euh, quelques précisions. Il est au micro de Salamatou Kadri. La malnutrition, c'est un mauvais état nutritionnel qui est lié à une alimentation mal équilibrée ou mal adaptée à un individu. On distingue deux types de malnutrition. Dans les pays développés, vous avez ce qu'on appelle obésité. Dans nos pays, euh, le type de malnutrition qu'on rencontre souvent, c'est ce qu'on appelle la dénutrition qui est liée à une insuffisance d'apport d'aliments. On les rencontre souvent au moment des crises alimentaires, pendant les périodes de soudure et aussi et quand les enfants tombent malades il existe combien de types de malnutrition Nous avons des types de malnutrition en fonction de la sévérité nous avons ce qu'on appelle la malnutrition aiguë modérée. Le deuxième type, c'est la malnutrition aiguë sévère. Et cette forme, on peut la subdiviser en trois catégories. Vous avez la première catégorie qu'on appelle les marasmes qui se caractérise par une perte de poids importante. Ce genre de malnutrition qu'on appelle marasme apparaît souvent à l'âge de 6 mois à 1 an. Le deuxième type de malnutrition aiguë sévère, c'est corps, donc qui est caractérisé par l'apparition d'une infection au niveau des dos des pieds. Ce type de malnutrition apparaît souvent entre l'âge de 18 à 24 mois. Le troisième type de malnutrition, c'est la forme mixte. C'est une association entre le marasme et le croche-corps. Donc c'est des enfants qui sont en même temps maigres mais qui ont aussi des édèmes au niveau des pieds. Ce troisième type de malnutrition est caractérisé surtout par le nombre important de décès par rapport aux autres types de malnutrition. Comment reconnaître un malnutri la croissance de l'enfant, quand il s'agit d'un enfant qui est affecté, donc l'enfant ne grandit pas comme les autres enfants de son âge. Vous avez également un risque de mortalité beaucoup plus élevé. Donc les enfants malnutris ont un risque de décès supérieur aux autres enfants qui ne sont pas malnutris et vous avez aussi une diminution du coefficient intellectuel des enfants malnutris. Donc ces enfants ne sont pas aussi intelligents que les autres enfants de leur âge. Comment prévenir la malnutrition la prévention de la malnutrition doit se faire dès la naissance, donc immédiatement après l'accouchement. Et se fait à travers l'allaitement maternel exclusif. La mère doit allaiter son enfant huit fois par jour, que la mère ne donne que le lait maternel, un pas d'eau. Et même pendant la période de forte chaleur, il est conseillé de donner uniquement le lait maternel, quitte à augmenter la fréquence de l'allaitement maternel. Pour plus de six mois, le lait maternel ne couvre plus les besoins de l'enfant en termes de nutriments, en termes de besoins. Pour grandir, l'enfant a besoin d'autres nutriments qui se trouvent pas dans le lait maternel. Par conséquent, il faudrait faire la diversification alimentaire à travers l'introduction de petites quantités euh, de nourriture au sixième mois. Et graduellement, il faudrait augmenter la quantité, la consistance et la variété lorsque l'enfant grandit. À six mois, il faut donner des aliments sous forme de purée écrasée et des aliments semi-liquides, notamment la bouillie enrichie avec des lait, avec euh, de l'arachide. À 8 mois, il faudrait donner des aliments semi-solides, donc des petits morceaux de bananes, des œufs bouillis. Il faudrait également donner de la collation. À 12 mois, il faut introduire les repas familial enrichis, plus du lait maternel. Éviter de faire boire l'enfant boissons à faible teneur nutritive, notamment le thé, le café et le jus. Donner à l'enfant de l'eau propre. faudrait pratiquer une alimentation active et attentive, nourrir les enfants lentement avec patience et elle doit encourager l'enfant à prendre des petites quantités de repas. Elle doit également réduire au minimum les sources de distraction pendant les repas si l'enfant est facilement distrait. Il faut se laver les mains avant la préparation des aliments et avant de nourrir l'enfant. Laver les mains de l'enfant avant de le nourrir voilà une euh, interview réalisée par Salamantou Kadri. Allons en musique à viva Oui, les prochains sont de notre playlist et la danse des Jaguars de femmes d'Agadez. Eh ben, puisque euh, c'est toi qui le proposes, quelques pas de danse s'imposent à toi, ma chère. <laughs> c'est parti. le est une danse vibrante, c'est-à-dire que c'est tous les corps qui bougent. Les femmes profitent de ces rythmes musicaux pour faire bouger leurs attributs de charme. C'est le moment idéal pour montrer leur splendeur féminine. Ça se voit que tu es, <laughs> tu es soufflé là, hein? Abiba, ça se voit, tu ne m'avais pas dit que euh, tu es aussi euh, une très bonne danseuse. <laughs> Cette danse se joue lors des cérémonies de mariage pour euh, enterrer la vie des jeunes filles intéressante, non Oui. <laughs> Vous êtes euh, de passage euh, ou, réside, ou résident à Tawa. Vous suivez l'émission Le Niger euh, sur Kalangu, sur la radio Takarkara de Bouza sur le 99 MHz. Merci à la grande famille de radio partenaires grâce à laquelle nous diffusons cette émission. Les responsables de ces médias sont d'ailleurs tous à Niamey. Un big up à vous. Il est 11h passé de 35 minutes, direction Madawa à la rencontre d'un détenteur de l'histoire de ce peuple. C'est un trésor vivant du Gobur Tudu Madawa. Il s'agit de Goburu, le chef griot émérite accompagné de son tam-tam. On l'écoute au micro de Hamza, Nomaou et Asuman Aboubakar. gadi daga kakana ni gade daga kakana buwai sai ubana alhaji umaru ni ni gade su kiri da eh. ka ce ka gade shi da kakanka kawai wajen kaka shi dawa dawa suka fara yi ma wannan kiri da abdullahi shi ya fara sarauta sa'annan tawaye sa'annan sarki musa daga sarki musa sai sarki muhammad daga sarki muhammad sai sarki jibo daga sarki jibo sai muhammad bako daga muhammad bako sai sarki bukari daga sarki bukari sai sarki maniru mai ci yanzu daga ka fara daga sarki Bukari shi ya sani gobiru. da gobiru? Gobiru ita ta sarauta. duk makaɗan da na ha in sun kai agadar duk gwamnati ka ikon su duk inda wani makaɗi shike da ɗan ma ba da wani mai kiɗin kalangu da wani mai goge da wani mai mi inda duk gobir take baya ta suke har yanzu duwan ga lokaci kai ke ja ko ko ka bar ma wani cikin yaran a ban bar ma kowa ba ni ka ja tukur ai bari zan yi Wani ni iske haka ni ma zan bari wani su gare ni akwai wani cikin yaran ka wanda ka koya ma wanga yi. duk waɗanga yara na na kowa ya iya shi waɗanga komi sun iya yi wanga kiɗi da kuke ana zuwa a yi ma wani talaka kiɗin sarki sai sarki in ba sarki ba kowa kiɗin sarauta sai ɗan sarki shi ko dan sarki dan sarki na mene ne ake yi wannan kiɗi da kuke daren juma'a daren juma'a ya mata ya mata ta ita ya mata ya mata kiɗin sarki duk daren juma'a sai an yi sarar sarki an yi sarar yan sarki da maza da mata duka sai an yi sarar su Eh, kamar mene matsayin wannan eh, sarar da kuke yi to abuna na gado tun kakanni da uwaye in an gama kiɗin sarki sa'an na aka na na sarakunan karaga na aka na 'yan sarki ya rimawa in yi sarki ya shekara ba shi garin ga ba mu yin kokon sai in ya zaka kamar ga sarauta ce ta gobir kadai ko ku sauran masarautu akwai irin wanga kiɗi wanda ake ko sai gobe. A gobir ɗaya ta adon wanga Daren Juma'a. Daren Juma'a gobir ɗaya ta. Daga nan ma da sai sabon birni sai kibiri kamar wanga ganguna na suya ne tarihin su yake kawai guda ta yi guda ake akwai wata babba da ake yi da ita wadda ita ke kiɗin ita ce babba ciki wanda ga wanda ke ɗaukata ko ko kowace kwana ya ɗauka. A'a ga ta ta gado ta ita tun kakanninmu har ta kawo ga uwayenmu har ta kawo gare mu ka gane ta ta gado. in yanzu ka ce kana son ka gane mu ko shabin dare ka zo duk muna tasowa mu zaka inda ka cikin gida guda muke. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Il est 11h passé de 38 minutes. Vous venez de nous prendre en cours. Pas d'inquiétude. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web www.studiokalangu.org ou sur la ou sur la page Facebook du studio Kalangu. C'est l'heure du sport et Soumana Amadou est dans la place. Bonjour Soumana. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, hier, nous parlions dans cette émission de difficultés du football à Tessawa. Aujourd'hui, on aborde les disciplines sportives les plus pratiquées. Eh oui, beaucoup de disciplines sportives sont pratiquées à Tessawa. Les jeunes sont très sportifs dans ce département. Écoutons le directeur départemental de la jeunesse et du sport, Lawali Illo. wanda suka hada da balo ko in ce kwallo kowa ya san da wannan mun shahara a nan cikin tasawa muna alfahari da mu ta jiha wadda ake ce ma nasara fc tesawa lalle wannan kungiya fi sabilillahi a nan tasa sa kai a Nijar ma gaba daya tunda a bara turnuwa da aka yi shampiyona national nasara ta tasa ita ta yi representan jihar Maradi baki daya kenan kaga sai a ce alhamdulillahi wannan wasa ne wanda ya karbi sosai kuma matasa suna nan gayen shi bakin iya gwalgwado. Kamar yadda nan cikin garin tasawa muke da kungiya ta jiha, to gaskiya cikin kwamin ma guda bakwai da muke da nan jiha tasawa kowace kwamin akwai kungiyar balo da lokacin damana ne ko in ce lokacin bakansu ma ai muna taran kwantar TGV. To kuma akwai eh, wannan kwallo na hannu wanda ake cema handball, akwai vole duka wannan nan cikin garin tasawa ana yin su da ma dai jiha baki daya ana yin su sannan kuma akwai kokowa tunda ita ma ba baya take ba akwai masu taekwondo to amma wani lokaci suna ɗan saurara ko in ce wani lokaci sai kaga kamar sun tai hutu amma hakikanin gaskiya akwai yare da suke nan ana farman su akwai su kwarai Soumana, la Cannes suit son cours euh, en Côte d'Ivoire. Où en sommes-nous aujourd'hui Eh bien, donc, au terme de la troisième journée, de match de poule, hier, retenez que devant son public, la Côte d'Ivoire a sombré face à la Guinée équatoriale, donc en encaissant 4 buts. Et c'est un match qui fera date pour le football ivoirien. À la fin du match, les joueurs étaient en pleurs des images plusieurs fois relayées sur les réseaux sociaux, donc démontrer cela. Néanmoins, les éléphants ivoiriens ne sont pas encore éliminés de la course. Le Nigeria a battu la Guinée-Bissau par un score de 1 but à 0. Le Nigeria se qualifie donc en huitième de finale. L'Égypte aussi s'est qualifiée également pour les huitièmes après son match nul face au Cap Vert, deux buts partout. Le Ghana fait match nul face au Mozambique, deux buts partout également. Alors, Soumana, quel est le programme d'aujourd'hui Donc, c'est mardi à partir de 18h, le Cameroun défiera la Gambie. Les Lions, donc, se voient dans l'obligation de gagner pour rester dans la compétition. À la même heure, le Sénégal champion en titre rencontre la Guinée-Conakry. À 21h, simultanément, l'Algérie jouera contre la Mauritanie et l'Angola la face au Burkina Faso. Et c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci. Merci infiniment, Soumana, pour euh, toutes ces informations sportives. À bientôt. Découvrons à présent la star de notre euh, portrait d'aujourd'hui. Notre projecteur est, braqué euh, aujourd'hui sur Boubacar Amadou Diboubé Kobadje. C'est un réparateur de moto, de motopompe et moto. Ces métiers, il l'a appris à Kobaji, une ville loin de la capitale Niamey. Omar Hamma l'a rencontré. Voici son portrait. bubakare sukaɓe mum ekkititoɓe ɗiɗo joni o gari e timminde moƴƴinol motere nder fittare makko wurtorde gallure ñamey dow lawol torodi ngal gollal du o ekkiti ɗum warde joni gaɗa mawɗo makko duuɓi mum sappo e joynim वो पूर्वज कंपनी का इला जेमिल ने अपना जेमिल भी पूरी थे अपन ने नहीं फुटूं gara mai ekiti da si aka sa loda ne ka ekiti water ko putin ni woni sam ben sen ko ni bur fitu de menen ka si a en ni royal en ni fana ni wala ni koy ga ma ko sanna wadi ba ko ta dubi joy ma jewa gara mako mi da ekito ba so waran ka e masala minen mako bande waro no mi di gollal mi hebi ngal hanan ni do ko heba Mm, gollal junngo kan ekkitakkeɗen fo kam woni yeeso baako caɗaale heppata nder gollal buuɓe no heɓa humtude muraduuji warooɓe no moƴƴina tomakko gollo ka ndegon hiyan goruɗo hiyan moola goɗɗo kay wala noon a waawa waɗan ɗum faa ñannde heɓoyi fof waddan woɓɓe no ngadda woɓɓe ngaddata o noon wontiri woɓɓe du konan keɓata noon mbawta warti woɓɓe du konan mbaasa keɓi ngaratata alaa e to jonka min gonni no min golla lewmu hunde fuu a gollanno ko keɓoɗa yeeso kan hollete ko gatta nawana mm. Ahmad Sali oni no garo moƴƴinanom duuɓi makko ni o waɗi mo wara moƴƴinde to makko o du no yetta yeru no buuɓe moƴƴiniranta ɓe masinaje maɓɓe wallahi ka golle makko mi ina wooɗi sanne gam min gaddi goto joni ɗo duuɓi joyi ni ko ñande fuu min ka bande matomi goɗɗo noon mi wiyan ɗum warto makko fittare makko mati belɗum mum sanne wallahi o jambatakoma wodi ko wima o waɗante basi a jogaki mi wawa wattani ma fani ɗen mi wawi gollitade miɗo moƴƴa to makko miɗo wadda woɓɓe ne moƴƴina e to makko addi lugadiam fou sukaɓe muɗum fou to makko ɗum mbiyami fayde neba gatta e vidage noon wiya gara to makko wala jambe majjum ngal gollal fittare no hunde noon ko woodi barke yeruno boubacar amadou wi allah e ngal gollal du imo heɓa jogorade koreji makko e humtude muraduji sukaɓe ɗiɗo wonɓe no ekkito gaɗa makko

dono kana ga duru dono din gana ga ka amma koi kai ne da bere wayen dina ha man ga dono jara amma ne turumi ya ci dawo. wai mun burono dono wa? <laughs> kamar wawa ba wawa ba abanda argurje ye argurje ni shi koi gurje ni man diza ta wa dan fatima ga sarkafoni kalgudan gamkale warga mai sorkai gida buro

ni bayni zo si forun se ni noti joru bandado ay moti soroka bandado Hawa ka ay da do benya na de sandi gore borai ba musa gore borai ba musa gore borai ba musa gamkele ni ba musa e bawa e bawa C'était Zato chanté par Moussa Poussi. La rubrique Affairage d'aujourd'hui parle de l'insuivisme. Il n'est pas rare de voir certains citoyens poser des actes d'insuivisme lors des manifestations. C'est de cela que le fan du studio Kalango traite dans les lotis. Fanta et Samira Rouafi nous en disent plus. Ke ke ke ke biba me ke faruwa a nan? Ami fa ina ganin jerin gwano ne ake. Zo mu laɓe na haka in ba haka nan ba za mu kwashi duwatsuna a fuskar <laughs> wallahi Allah. Zo da yake gani ba zan can dariya ba ne. To wai tsoron mi ma kike yi? Dan kwanta da hankalinki mana. In kwanta da hankalina? Kina nan ga ganin suna ta hoshe duk abin da a bisa kan hanyar su. To in anan fa wata adda ta kubce ta hwado mana. <laughs> adda kuma? Ke ma dai akwai ki da ƙari. Amma ke dama matsoraciya ce. na gwammaci a ce tsoro gare ni da irin wannan abun ya same ni kuma baki nan ga ganin suna ta lalata komi da komai saman hanyar su wannan rashin kishin ƙasa ne kawai kakan ni kin san ba gane wannan dogon turancin naki nake ba baki nan gani abin da suke nan gai ki duba ki gani suna ga fashe fitilunan zirga-zirga da alunan tallace-tallace da alunan zirga-zirga kuma suna nan ga lalata kwalta tare da tayoyin da suke nan suna ta konewa kuma suna nan ga lalata alamomin tarihi Ah, ne kike nihi da rishin kishin kasar. Eh mana, kin ga an ce kishin ƙasa an ce girma mata da kuma nuna kishi ga dukkanin abin da zai iya faruwa ga da'irar da yake ciki, inda yake nan ga rayuwa. Girmama iko da doka banna a cikin waɗannan filaye da na kowa da kowa ne ba abu bane da zai aifa mu na ɗa mai ido mu duka to duk me yasa ma suke haka na san dai saboda rashin kishin ƙasa ne kamar yadda na gayi da kuma rashin sanin abin da ya kamata da abin da ya fi kyau ma sa ko kuma in ce kawai rashin bin ƙa'idodin rayuwa ne da zaman tare da son rai kuma ba ma shi kenan ba kishin ƙasa shine kuma a rinka tuna nauyin da ya rataya a wuyanmu a matsayinmu na 'yan ƙasa tare da kula da duk abin da wuri ne da jama'a ke amfani da shi da kula da fitilun zirga-zirga bakin ga akwai wasu 'yan tudu ba da ake ginawa a bisa kan kwalta saboda a hana motoci koko a sa motoci su rage gudu ka siski ke cewa to shi ma bai kamata a rinka yin shi ba cikin anguwanni inda mutane jama'a suke amfani kuma kin gani wani yadda dauɗa cikin gotoci duka ya kamata a daina hamma ke bar man tsaya da nan dan abin ya fara bani takaici To amma ai ya ci a can an gurfanar da masu irin wannan aiki. Ko babu wata doka ne a kai? To ni dai na san da cewa wanda hukunta laifuka na shekarar dubu biyu da uku na ƙasar Nijar a cikin ayarsa ta ɗari uku da tamanin da tara ya ce duk wanda a cikin son ransa ya ɓata ko ya juye ko dai ya lalata alamomin tarihin nan ko gada ko dam ko hanyoyin da jama'a ke amfani da su ko gini da ba nashi ba da duk sauran wasu abubuwa dai za a iya kai shi kurkuku tsawon shekaru biyu zuwa goma da tarar kuɗi jika goma zuwa jika ɗari na sefa ni fa ba lauya ba ce ka in shiga cikin wani dogon surutu wai wai wai wai wai wannan duka amma suke ci gaba da yi To ko dai basu sani ba ne. To inda suka bari aka damƙe su za su gani mu dai yanzu bar mu ta kama mu bar wurin nan. To bi ba ke ba ki tsaya ki dan kwatanta musu kamar yadda kika kwatanta mini. Wacce ta ni? Amma wallahi ba ki so na da karuwa fa. Wa zai saurare na? Diba yadda suke nan ga wata hauka kamar waɗanda adda iskoki. Dibo zo mu lallaba mu huce ta nan ga mu tai. Zai fi aifa mu da ɗan mai. Ai dama na ce ke mu tsoraciya ce. Bai komi ta yi dai mu tai. <laughs> Voilà, chers auditeurs, c'était là le loti du jour euh, proposé par le desk femme du studio Kalangu. Chers auditeurs, l'émission Le Niger sur Kalangu, c'est aussi de la culture linguistique. Ce matin, c'est Maman Ada du desk Hausa qui nous vient avec le mot éducation. Bonjour Ada. Bonjour nous. Euh, effectivement, on va parler de l'éducation, mais cette fois-ci en Hausa. D'accord. Et coach euh, ranar 24 ga watan général, shekara ana ranar na yau za mai da hankali kan kalmar ilimi ita ce jigon namu wato ilimi wani aiki ne na koyarwa a cikin makaranta kuma a wannan lokaci na yanar gizo ana iya koyar da ilimi tun daga gida ko kuma daga salula ko kuma da sauran wasu hanyoyi misali ilimi wani aikin ba, ba da sani ne sannan kuma ilimi wani aiki ne na kamar tamkar kana zuba jari mm. ilimi wani ginshikin kawo sauyi ne da ke kawo sauki ga kyautatuwar samun kiwon lafiya da kuma taimakawa wajen samun abin zama rayuwa wato ko kuɗi ko na hali mm. sannan kuma abu na ƙarshe sai ilimi idan an ce ya mace ana ilmantar da ita kawai ana ilmantar da duniya ne mm. abin da zan ci kenan mun gode sosai ada merci euh, infiniment Chers auditeurs, vous êtes nombreux à nous suivre grâce à nos médias partenaires de partout dans le pays. Écoutons quelques-unes de vos réactions. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. ayidi gine sala ken siganel fa kena fa fatizai takdar labora ti jokol ku irgaran fondo ko karo da kan arni no dama iri di bon fere karango kande wala nafu kango raje ga kan go la le ni bay dine radio la bay de no ne ay kan bay im bore fa hamandi wala ay kan go nangu moro ima ke mi kan lay ma to ne do wala ay kan go ganda ganda ki go te yang ima to ne boredo wal go ifo kan borfo go te ko te fo boram ka ma ki raja bon bore kul na fa ka go kande wodin bumbono nigidi gay yang igogo goy fonte kan inne hare bore sindi kwarai ngai mo irgo goy fonte ne hare kan ngai mo sindi kwarai aga tiya furte jeno kalam ko albere reno dina da raja bon ne hare bore gudu bere wodin irmo irgudu ibera zaadi fa kalama ko beri gabar gaye kalama ko bani bon gan hare gabar gaye kala dendi kambara yari ngani di bora isongo dangale ikulu igo cerbandena wato di min bora one go goy fote kan bor fosi fahamda de mancini koyno wala mo hatta bi ne ma bor fomne nangu filani yani gogte nangu filani yani gogte wodi nga hinino bor gudu fahama amma songo kan ir koyte labara igo to bora ido ni di bora igo gudu fahamay iga bay matkani iga teda hino kalam tona kan rabo rama ago ko gidi bum bomat kan no goy gogo teda wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nakas usman khisam gahmud kalangu da asna sadar gan hulle hulle kan kan kalangu radio at mosama sas karna sa sadar gan hulle radio da asma sa satar wa gafa wa nayti dum hulle nakna sa namar hulle fila asmirin gafa on taguyati dum natabiratin tidana daqalana lokelana daqalana sensibilisation on déplacer tin vidara degane kulun knasa san mur hudan tu kafla sumir yang kafa wit tagu eti de matu no hasilas kalon gut tagu batu te nagut ne parce que sa ente tagu debat ne gut ne tagu debat an falara tan gule salan al khair awadi sawe ne ti de mat nasot ne ti eti wen nasen hadavia tanasana madan hada tamaglat falas kalon gut na an kalon gut ne kana da dagas narasa il faut ke batu tanzun tina tan tagu sa wala kul wala kun dan ne grawin ke zul kulat tiga zul kulat tiga Pulkar maran ya kafa wannan ti dumatan hulle hulle na zunga da na ne rafi ashafat kap dar ne gra inta ta diwa na tagas talaman kan ne migri dan nas kana na gorzat sensibilisation tan nas kana na tu gazan kafa wannan kalan go mer muddin ne sun kana sigin ko bene hulle hulle da da kala ne salan ta hulle ne ne ti dumatan hula gaina amidini wannan sasum nas bubakar e ha nyame ya hula gain daga altine altine mamudu e han tera أورغين دغا إيشي ورغم ميري لكنين اسمع لك نقينا تولد هلين يا هولاغين دغا أم قارن هنا كوت ديفار قالنا الشفاقة قاحب Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Ici prend fin notre émission de ce mardi 23 janvier. Vous étiez en compagnie de Ali Munkaila et moi-même Habiba Ahmed. Oui, chers auditeurs, on s'est dit à 17h pour notre programme de 2 h en 5 langues qui débutera avec le journal en français. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Excellent après-midi à vous tous. Bye bye.